auditeurs des programmes du studio Kalangu, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous Le Niger sur Kalangou. Nous sommes vendredi 1er décembre et c'est notre rendez-vous de la semaine. Je suis Mariam Adé avec moi Habiba Hamed pour la présentation. Bonjour Habiba. Bonjour Mariam. Sans tarder, passons au programme du jour. Comme d'habitude, Habiba, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure en info et en musique. D'abord, il y a les flashs d'informations suivis de la revue de la presse avec Mokhtar Hamadou. Évidemment, de la bonne musique 100% nigérienne. De la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat comme chaque vendredi. Ce matin, notre invité est M. Isaka Umoru, président de l'association TIBERO, une association qui milite pour la préservation de la paix et la cohésion sociale au Niger. Il y a de la place pour les chroniques sport et les lotis dans cette émission et de la culture linguistique en franco-tamashek. C'est parti nous démarrons avec les flèches présentées par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba. Quelles sont les nouvelles alors aujourd'hui, Habiba, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le Niger, à l'instar des autres pays, commémore cette journée sous le thème Laisser le leadership à la communauté. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, le colonel-major Garba Hakimi, dans un message rappelle que cette journée est un appel à l'action pour émanciper et soutenir les communautés dans leur rôle de leadership. Selon le ministre, chaque année, dans le monde, plus d'un million de personnes sont infectées et un peu plus d'un demi-million décèdent de cette maladie. Selon ONU-SIDA au Niger, les personnes vivant avec le VIH-SIDA sont estimées à environ 34 000 et 1 500 ont été infectées. Bien que la prévalence de la population générale soit relativement basse, elle reste élevée dans les populations carcérales, les professionnels du sexe, les réfugiés et migrants, les jeunes adolescents et la transmission mère-enfant, a précisé le ministre de la Santé. La COP 28, la 28e conférence plutôt internationale pour le climat COP28 a démarré hier 30 novembre et se poursuivra jusqu'au 12 décembre 2023 à Dubaï aux Émirats arabes unis. Il est temps de s'unir pour il est temps de s'unir, d'agir ensemble et d'apporter des solutions concrètes à la crise climatique, estiment les organisateurs. Environ 60 000 délégués représentant de plus de 190 pays sont attendus à ce rendez-vous pour le climat dans le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Parmi les principaux résultats attendus de cette COP figurent la sortie des énergies fossiles et la concrétisation des financements de 100 milliards de dollars par an pour réparer les dommages climatiques subis par les pays en développement comme ceux du Sahel. Déjà, les Émirats arabes unis se sont engagés à verser 100 millions de dollars au titre des pertes et dommages. Enfin, le Niger passe le témoin à l'Algérie à la tête du CEMOC, Comité d'état-major opérationnel conjoint dans la lutte contre le terrorisme. Le chef d'état-major de l'Algérie, le général d'armée Saïd Chanegriha, succède au chef d'état-major des armées du Niger, le général de brigade Moussa Salou Barmou. Moussa Pour rappel, le CEMOC est un cadre de haut niveau de coopération sécuritaire regroupant l'Algérie, le Niger, le Mali et la Mauritanie. En outre, la présidence tournante du Conseil des chefs d'état-major qui est passée du Niger à l'Algérie au cours de cette réunion, les dirigeants du CEMOC des quatre pays se sont penchés sur la situation sécuritaire dans la région. Voilà pour le flash de ce matin, Habiba. Merci, Rafika. À la semaine prochaine. Habiba moment pour nous de présenter notre invité. Oui, il s'agit de M. Isaka Umoru, président de l'association Tibero, avec comme objectif la promotion de la paix et la cohésion sociale dans les pays. Bonjour Isaka. Bonjour. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, nous allons savourer de la musique pour bien nous installer, n'est-ce pas Maria Oui, Habiba, le Niger sur Kalangu, nous consommons de la musique nigérienne sans modération. Je vous propose pour commencer d'écouter Nana Anyubanya et Tini présente Nana, représentante les mérites de la nouvelle génération, et Tini Bionia, une véritable icône de la vieille école, et ses dios ne peut qu'être exceptionnel. Un véritable chef d'œuvre musical, Habiba. Retour au studio, cher invité, espérons que vous avez aimé cette chanson. <laughs> Pour commencer, Isaac, vous présentez-nous brièvement votre structure et les objectifs qui lui sont assignés. Merci, donc euh, je remercie d'abord euh, Studio Kalangu pour... Euh, cette occasion. Je vous remercie également pour la présentation de cette émission. Et l'association Kébéro, c'est une structure des jeunes, une structure euh, créée en 2020. L'agrément officiel euh, permettant à l'association Kébéro d'exercer en tant qu'association sur l'échiquier national est signé le 4 novembre 2020. Donc, euh, les objectifs que l'association Kébéro s'est fixé, c'est d'apporter aussi un plus au développement de notre pays et apporter également un plus à la paix et à la préservation de la cohésion sociale. Et c'est une structure qui est créée par des jeunes du, du village de Goudel. Si je dis Goudel, vous n'êtes pas sans savoir que le village de Goudel est caractérisé par euh, des soubresauts entre jeunes et forces de défense et de forces de sécurité et de défense. Donc euh, c'est pour euh, pallier à, toutes à tous ces problèmes que des jeunes ont décidé de créer cette association pour régler de manière pacifique et pour éviter la pérennisation de cette violence au sein de notre communauté. Voilà un peu les objectifs que vise l'association. Elle vise également à être le porte-voix de cette jeunesse qui a été longtemps marginalisée. Ok. Tiebero, c'est à langue zarma et cela signifie éléphant. C'est un peu révélateur, mais dites-nous pourquoi avoir choisi ce nom pour cette mission, la paix et la cohésion sociale. Merci. Donc, euh, effectivement, Tiebero veut dire euh, éléphant. Et si on se réfère à l'histoire du village de Goudel, il y avait un éléphant euh, qui, vivait sur le site avant même l'installation des premiers habitants. Et ces premiers habitants ont trouvé cet éléphant sur place. Et c'est cet éléphant que les, les, les riverains de la rive droite qui étaient là appelaient Goudel parce que c'était un éléphant qui avait l'appendicite et la queue coupée. Donc en Fulfulde, les gens l'appelaient Goudel. Donc c'est ça qui a donné le nom du village de Goudel. Donc pour renvoyer un peu à l'histoire de notre village, nous avons préféré mettre éléphant pour que les générations futures se rappellent de, l'histoire de notre village. Et également pour euh, les qualités de l'éléphant. L'éléphant, vous savez que c'est une force tranquille. L'éléphant, ne, en tout cas, n'accepte, n'est pas agressif. L'éléphant n'est pas agressif, l'éléphant n'est pas violent, mais l'éléphant n'accepte pas non plus qu'on lui marche dessus. Donc, pour mhm. toutes ces caractéristiques, nous avons décidé de, de, de, porter le nom Kébéro parce que nous voulons incarner aussi non pas la violence, mais la paix, la quiétude sociale. Mais nous ne, en tout cas, nous n'accepterons pas aussi quelle que soit la force de nous marcher dessus en tant que communauté, en tant que village. Ok, très bien. Donc c'est une donc c'est d'une manière passive, passive quoi. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller sur cette voie euh, Je l'ai dit tout à l'heure, nous aujourd'hui la jeunesse est caractérisée, en tout cas dans plusieurs localités, par euh, des violences souvent qui sont créées par des qui sont créés par, euh, en tout cas, des malcompréhensions souvent entre les forces de défense et de sécurité. Et ça crée des violences souvent sans précédent qui sont aussi, en tout cas, la cause de, plusieurs dégâts, que ce soit matériel ou même des pertes de, en vies humaines. Donc, euh, nous avons décidé d'aller dans le sens de du dialogue et de la concertation parce que nous estimons qu'il ne faut pas pérenniser cette violence. C'est vrai, la jeunesse, elle est, est pacifique, mais souvent, comme je l'ai dit, les caractéristiques de l'éléphant, quelle que soit sa non-violence, si il estime qu'il est, en tout cas, quelqu'un veut marcher là-dessus, il va réagir. Donc voilà la réaction de notre jeunesse. Nous avons créé cette association pour dire que la violence ne résout pas les problèmes, pour régler de manière définitive et pacifique toutes les questions auxquelles cette jeunesse va être euh, euh, confrontée. C'est pour cela que nous avons décidé de la création de l'association et de son orientation. Aujourd'hui, nous parlons avec tout le monde, nous dialoguons avec tout le monde et toutes les questions qui sont liées à notre jeunesse sont réglées de manière pacifique et dans le dialogue absolu. D'accord. Alors, dites-nous aujourd'hui comment vous vous êtes à financer. L'association Kébéro, c'est une association d'envergure nationale, je l'ai dit, bien qu'elle soit créée par des jeunes de la région de Niamey et du village de Goudel. C'est une association. Lorsque nous avons créé l'association, nous avons eu aussi l'initiative de faire appel à la diaspora à notre diaspora parce que à un moment eh, la diaspora aussi estime qu'elle doit apporter sa pierre à l'édifice et nous avons fait appel à toutes les bonnes volontés à tous les membres aujourd'hui l'association Kébéro de manière officielle et formelle à plus de 1000 adhérents qui ont pris la carte de l'association. Donc l'association est financée à travers la contribution de ces, de ces militants. L'association est financée à travers euh, la diaspora et à travers toutes ces bonnes volontés qui estiment que les activités de l'association méritent d'être soutenues. Nous avons également des partenaires qui ont en tout cas l'habitude de financer des projets que nous soumettons parce que en dehors de la paix, de la cohésion sociale, l'association Thiebéro œuvre aussi dans tous les secteurs sociaux de base. Nous intervenons à améliorer la qualité de l'enseignement nous intervenons dans les centres de santé, nous intervenons en tout cas dans l'environnement parce que nous entretenons les, lieux publics, les lieux de culte, les lieux en tout cas symboliques euh, de, de notre communauté. Monsieur Isaka, ce n'est pas pour vous couper la parole, mais avant de continuer, nous allons retrouver Mokhtar Hamadou pour la revue de la presse et on revient tout de suite après. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Abiba Ahmed. Bonjour Mokhtar. <coughs> bonjour euh, Mariama Adé. Mokhtar, levé des sanctions de la CDAO, les titres suspendus au 7 et 10 septembre 2023, titre en gros hebdomadaire La roue de l'histoire. Oui, Mariam, en effet, selon la roue de l'histoire, les Nigériens attendent anxieusement les dates des 7 et 10 décembre 2023 pour se fixer sur la trajectoire que prendront les autorités de la transition à l'issue des décisions que prendront les, juridictions communautaires. Le premier élément attendu est le délibéré du jugement de l'affaire opposant le Niger à la CDAO prévu pour le 7 décembre prochain et le second est le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO qui va statuer le 10 décembre 2023 sur l'évolution de la situation au Niger et la levée ou non des sanctions prises par l'instance communautaire à l'endroit du Niger depuis les événements du 26 juillet 2023. Ce qui est sûr, les décisions qui seront prises au cours de ces deux dates seront déterminantes sur la conduite de la transition nigérienne poursuit l'hebdomadaire La roue de l'histoire. Adoptée sous l'égide de l'Union européenne, la très contestée loi sur le trafic illicite des migrants abrogée nous apprend les sites d'information Acti Niger les nouvelles autorités nigériennes ont abrogé par ordonnance du président du CNSP et du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, la loi 2015-036 relative au trafic illicite de migrants. Selon le gouvernement, cette loi adoptée sous l'influence de certaines puissances étrangères a été prise en contradiction flagrante avec les règles communautaires et ne prenez pas en compte les intérêts du Niger et de ses concitoyens des griefs déjà portés par des associations de la société civile locale ainsi que des acteurs de cette activité dont la loi a impacté négativement l'économie, notamment dans la région d'Agadez et qui militait depuis des années en faveur de son abrogation. Cependant, de l'avis de plusieurs observateurs, cette décision constitue une sorte de mesure de rétorsion contre l'Union européenne qui a son adoption sous l'ancien régime de Issouf Mahamadou et qui, constitue, et, qui continue de contester la légitimité du CNSP avec euh, tout dernièrement l'adoption d'une série de sanctions ciblées ciblant les, les nouvelles autorités et le vote par le Parlement européen d'une résolution condamnant le coup d'État du 26 juillet 2023. Mokhtar visite de travail du président du CNSP au Mali et au Burkina entre espoir et inquiétude, titre le journal La roue de l'histoire. La roue de l'histoire nous apprend que pour sa première sortie à l'extérieur, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani, a choisi le Mali et le Burkina Faso, deux pays voisins du Niger dirigés par des transitions militaires où il a effectué le jeudi 23 novembre une visite de travail. Au menu de ce déplacement, le renforcement de la coopération entre le Niger et ces deux pays qui ont été les premiers soutiens du régime de Niamey aux premières heures des événements du 26 juillet 2023 ayant renversé le régime de la 7e République. Cette visite d'amitié et de travail du président du CNSP qui intervient dans un contexte difficile lié aux sanctions imposées par la CDAO au Niger a suscité enthousiasme et espoir au sein des soutiens du CNSP qui salue et félicite le renforcement de l'axe Burkina-Mali-Niger. Il faut cependant dire que ce rapprochement qui ressemble fort à un alignement suscite également des inquiétudes dans certains milieux politiques et sociaux nigériens qui redoutent une cristallisation durable des rapports entre la CDAO soutenue par la communauté internationale et le Niger, éloignant du coup toute perspective proche de sortie de crise. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 1er décembre 2023. Merci, Merci À la, prochaine. fois. Comme promis, nous sommes de retour pour la suite de nos échanges. Nous parlions de paix et de cohésion sociale avec notre invité Isaka Oumourou, président de l'association Tubiro. Isaka, rebonjour. Bonjour. Dites-nous qui est qui compose cette organisation Merci. Donc, euh, l'association Tievero a un bureau exécutif national qui est composé de. L'association a un bureau exécutif national qui est composé de 13 membres et dont je suis le président. les autres membres sont également des, des jeunes de, de Niamey. Et au niveau de ce bureau exécutif national, nous avons des structures d'épaulement. Ces structures d'épaulement sont le comité des sages. Et nous avons également la diaspora. Nous avons le comité de vigilance. Mhm. Nous avons également le comité des femmes. Ces comités d'épaulement sont créés pour euh, aider le Bureau exécutif national à accompagner les, tâches et les cahiers de charges et les plans d'action annuels, chacun en ce qui concerne son domaine d'intervention. si on prend par exemple le comité de vigilance, c'est un comité qui est composé de jeunes volontaires qui sont là, qui œuvrent pour euh, préserver justement la paix et la cohésion, pour euh, en tout cas éventuellement et régler des, questions qui peuvent euh, créer des troubles euh, dans les environs. Ces, jeunes volontaires, en tout cas, sont là aussi pour euh, la sécurité des, personnes et des biens. Souvent, ils collaborent même avec le Bureau exécutif national dans l'organisation de, toutes les activités que l'association organise. Alors dites-nous aujourd'hui, est-ce que veut intégrer l'association Oui, je l'ai dit, aujourd'hui officiellement nous avons plus de 1000 et quelques adhérents, je n'ai pas le chiffre euh, exact, mais c'est plus de 1000 personnes qui ont officiellement pris leur carte d'adhésion et c'est une association qui est ouverte à tout celui qui veut l'intégrer et tout celui qui respecte euh, les statuts et règlements de la dite association et la bienvenue. L'essentiel pour nous, c'est de nous unir pour apporter un changement positif dans le quotidien de, nos concitoyens. Comment appréciez-vous vos actions de 2023 euh, De manière globale, euh, le bilan est satisfaisant. Et très bientôt, d'ailleurs, comme chaque année, nous comptons organiser l'Assemblée générale annuelle parce que c'est une instance statutaire de notre association. Chaque année, nous, et nous organisons une Assemblée générale annuelle et une, et une euh, assemblée au cours de laquelle euh, le bilan de l'année écoulée va être fait et les perspectives de l'année antérieure seront discutées par les membres. Donc 2023 euh, a été une année marquée par, euh, en tout cas, des crises au niveau de, notre pays, mais ça n'a pas empêché à l'association Kébéro de suivre son cahier de charges que conformément aux conclusions de l'année de, de l'Assemblée générale 2022. Euh, et nous avons également participé à toutes les activités qui rentrent dans le cadre des questions d'intérêt général pour euh, notre pays. L'association Thiebero est active aussi sur, euh, en tout cas, dans presque euh, tous les événements qui concernent la vie de la nation. Et 2023 a été une année marquée par plusieurs activités dans les secteurs sociaux de base tels que l'éducation, la santé et l'environnement et aussi la paix et la cohésion sociale. Alors dites-nous, l'association se limite uniquement à la jeunesse de Goudel Non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une euh, organisation d'envergure nationale. Nous avons un arrêté ministériel un arrêté ministériel qui est signé le 4 novembre 2020 autorisant l'association Kiebero à exercer en tant qu'association et association nationale. Certes, c'est une association qui est créée à Goudel. Comme toutes les autres structures, c'est des initiatives d'une localité qui va être et faire tâche d'huile sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, l'objectif de l'association Kébéro, c'est de créer les conditions pour que tous les jeunes de toutes les localités eh, se mobilisent autour de l'association Kébéro. Aujourd'hui, si on constate, on fait un peu le bilan, eh, nous avons plusieurs euh, associations qui sont venues se greffer à l'association Kébéro pour vouloir mener à bien les, tâches et défendre valablement la, jeunesse de, notre euh, pays. D'accord, M. Isaac, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. <laughs> Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes vendredi et justement, Habiba, nous allons parler d'entrepreneuriat. Des femmes du quartier Zongo de la ville de Balayara se sont regroupées pour mener des activités génératrices de revenus, chacune dans son centre d'intérêt. Mamata Dandoko est allée à leur rencontre suivant son reportage. dawai borai gaba imza da amubori a ga himan dano imu kamba dan kyar kambaga ga tekun dafu wadin fondara aikwai nodin zonga hausan kai kurai nan kan ai kaga wai boran da wai borgar kan ina kyar margu ga tekun dafu ai fa karai di wan president ifo ga ti ikun dawo ma'ana wo kan atonan daido inganiya balki dogon barau wande fati ka za kwara miliyan wakire nodin nirga doriyan wote irga te a ci gwagwa irga te tiraj iri gurup ma kaki ba fa kai gurup irga kyardi iri ba iri mate wana wana iri borwai takino laraba kul din ne kirgan ne ala sare ku bai kap iri goba ta maga ya bai kul maki hankan adi da dama iri mahalin far iri mutun kasai in kan bugo da ka kir soka zamir wa iri shin dai kul kurai wa me amiya soke da ka kir wani ful ni di go ne kyambu ne iri gir murade kulte iri na teno a ci gwagwa kul kan ni dorin sai in ga non kyala ga dorin wallahi ginai ga margo ginai ga margo halman ki maso titi koi zakainu wandi amanti kala hantum kono hinga mo aina ha ifo ta agoyo grupo mara wakan akiyese ingeniya. to ai ko ga hangan dai group po se barkan kan de nga versama tira jono im ko she borasi da a ci gwagwa no hankan barakan danga ni ga hantum da wabo kan gai se dai kati irma chaddi zam group po bai kul kan kaka kanu borasi si ga chaddi as kanu borais boryan go group madira inge mu ainiha na fofo ni go du group madira wo kan ikiye se ni ya mun ku ni gine mamma makanu baka sani ga ba se iri wasi gurfa iri wasi kani iri ga fa gurga hannan goyi. maka kuri mi noni si bonno hunkuna bo ke kini gabi ga mi tene bo kuri ne bonno iri wo so kyano kuro din di samdi jimma habu kabe kabe la jilik fulan zam iri ya sana alhamdulillah iri higen daga inna wundi yanda irkina fa har sai mbek take bai kur sana afa grupu mara a wanda woy boro kan goga kai ise inga mo aina ha ta goyo gurupu mara jawabo ka to nan dai do inga ne ya a ilihidda ir group kai ir sin gurupu hannano isin da fitina ise haikulu balisi dini iso goga hiki dini ka balisi komple gu sanna matontoni wai ni du wai asisa funo ru aisha ma ce ise kan goga hiki mandu kala komple zan zambar wa ha irma madai ko guru dai kake irga ce rabon guda iriya ya dinno irgo kurai wo hausance kurai dai na irbon gabino irgo ka ce Chers auditeurs, encore une fois, nous allons savourer de la musique traditionnelle, mais cette fois-ci, c'est un instrumental de Umaru Meduma que nous vous proposons. de la région de Maradi, il joue l'instrument traditionnel appelé Douma, typique de la région des Maradi. Il dégage son synthétique et mélodieux et Omar est le seul à avoir le secret de savoir-faire. Omar douma a représenté le Niger à travers des festivals dans le monde. Aujourd'hui, il fait partie des formateurs au Centre de formation professionnelle de la musique CFPM Taya. Les pays comme la France, le Canada, la Belgique, les États-Unis connaissent le Douma grâce à Oumarou du Niger, les pays qu'il a pu visiter. cette pause musicale, Habiba, on passe à l'écho des régions. Oui, nous vous emmenons dans la commune de Ngigmi, région de Difa, compte plus de 30 000 personnes réfugiées et déplacées affectées par les crises sécuritaires et climatiques. Le président des personnes réfugiées et déplacées sur place, Malan Ari Babagana, explique comment ces populations cohabitent. Il est interrogé par Abdellah Mena. ana samun yan gudun hijira nawa ne a nan garin gegime din wanda suke cikin garin gegime manyan mu da kananan mu za mu kai kusan dubu talatin eh gaskiya mata suka fi yawa da yara haka ciki to ya zamantakewar ku take ne a matsayin ku na yan gudun hijira da kuma al'umma ta nan garin gegime zamantakewar mu kamar ma dama can tare muke kuma kamar garuruwan mu ma daya mu'amalan mu daya kamar haka ne muka tashi muka zo kamar haka muke da su yan gari da mu yan gudun hijira saboda mu'amulun ne daban da mu muke na kasuwanci ne na aure ne na suna ne na mutuwa ne ba wani kalan mu'amala daban mai da yan gari wani gudunmuwa kuke bayarwa ta fannin abin da ya shafi tsaro a nan garin gegime a matsayin ku na yan gudun hijira gaskiya bangaren tsaro wannan wani abu ne da mu kanmu kullum muna tattuna bisa gare saurare shi da wace irin guduma ya kamata mu ba ma wayanda suka kamata tun da shi wannan labari na tsaro ba labari ne da za a yada shi a ina ba ba labari ne da kuma za a ba ma kowa ba akwai hanyoyi da muke bi wanda muke ba da labari idan muka ga abin da bai gamsar da mu ba cikin mu ko da ma wani ne ya shigo haka ko kuma wanda ake tare da su ne muka ji suna wasu abubuwa da basu kamata ba akwai hanyoyi da muke bi muna ba da labari saboda a shawo kan wannan matsala kuwa to kaman kuna da sha'awar koma kasashen ku na asali idan lamura suka daidaita wannan wani abu ne da za mu ce allah kaɗai muka bar wasa ne amma a kasarin mutane ba su shawan komawa saboda abubuwan kullum kamar canzawa ne suke yi in ka ce za a samu sauki yau ka ga saukin bata samu ba amma ba mu sani ba aka samu zaman lafiya wasu na da ra'ayin komawa akwai da yawa mutane wanda kuma ba su da ra'ayin komawa to yanzu me za ku ce gwamnatocin kasashen ku na asali da kuka fito mu kiran da za mu yi gare su shine su yi kokari su shawo matsalar kasashen namu da muka boro menene kiranka ga yan gudun hijira da kuma al'umma ta nan garin gegime kullum mu kiran mu shine mu zama tsintsiya madaurin ki daya saboda cikin garin muke mu'amalar mu da su muke yi su kuma mu'amalan su da mu suke yi kenan duka mun riga mun zama mutane guda wanda duk abin da zai kawo ci gaba na gari kamata ya zama tare ne muke yi mu da su yan garin gaba daya ba tare da mun bambanta kan mu cewa mu ba yan gari bane ba ruwan mu da abin da ya shafi gari kamata ya zama mun hada kai da su mun kawo su abubuwa da gari zai ci gaba yanzu mi zaka cewa sabbin shu shugabanni na mulkin soji na wannan kasa ta jamhuriyar Nijar. Kiran da zamu yi musu shine muna fatan su zama su ma masu kama ma talakawa ne masu son su fidda talakawa cikin matsaloli ne kamar yadda suka ce lalle sun ga kamar talaka suna cikin matsala to lalle muna fatan za su yi kokarin ganin cewa sun fidda mu a cikin wannan matsaloli da muke ciki musamman mu hijira kuma tunda kamar mu amana ne ga kasa kuma amana da hukuma wani abu ne guda daya wanda hukuma babu amana bayan da za a yi su kuma baki da suke nan su rayuwar da ya kamata Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est le moment de se chauffer un peu avec les sports et c'est avec Gourouza Hassoumi. Bonjour Gourouza. Bonjour euh, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Vous êtes euh, prête euh, pour faire le sport Bien sûr, comme d'habitude. Alors Gourouza, la Super League de foot du Niger bat son plein sur les différents stades du pays. Oui, après la première journée, la deuxième journée, la troisième journée a commencé hier, jeudi, avec la victoire de Tagour provincial de Dosso Devant Akukana, Darlit sur le score d'un but à zéro. Match nul, un but partout entre l'AS Nijlek et l'Urana Darlit à Niamey. Espoir recevra la gendarmerie à Zender, le Zumunta accueillera la JST de Tawa. Aujourd'hui, il y aura un choc. AS Douane, AS Police à Niamey. Le match AS Fan Liberté est programmé demain samedi. Un duel également est programmé entre le Sahel et l'Olympique. Pendant ce temps, la Renaissance accueillera le Jean-Gorzo de Maradi à La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Le match aller des qualifications ont débuté depuis mercredi. Oui, Abiba. Le Maroc est déjà qualifié en tant que pays organisateur de l'événement. 22 nations sont à la recherche de cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines, mais seulement 11 pays auront leur billet et rejoignent le Maroc en tant que pays Organisateur. Les qualifications pour cette canne prennent fin euh, le 5 décembre prochain. Aujourd'hui, il y aura le match Ghana-Namibie et Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo. Voilà pour le soir. Merci Gourouza, à la semaine prochaine. Habiba, poursuivons avec le portrait du jour. Oui, entraîneuse de football, directrice d'un centre technique, Rabo Mato raconte sa passion du sport, particulièrement pour le ballon rond. Elle encourage toutes celles qui ambitionnent d'embrasser cette profession et de surmonter les préjugés pour accomplir leurs rêves. À la rencontre d'une coach sportive, Rabo Mato est interrogée par Adama Dawaki. Le football, en tout cas, je peux le dire que euh, ça fait partie aussi de ma vie parce que dès l'enfance, j'ai joué au football jusqu'à ce que euh, je grandisse. J'ai joué à l'équipe nationale aussi jusqu'en 2016. Euh, j'ai arrêté pour embrasser le coaching, pour, devenir entrepreneur. Est-ce une euh, passion ou bien c'est juste euh, pour un temps et vous allez Bon, je dirais que c'est vraiment une passion qui est en train de me suivre. Parce que faire le sport et l'étude en même temps, c'est pas facile, surtout dans le contexte où on est ici au Niger avec euh, la jeune fille. En tout cas, je suis là, euh, j'essaie de donner ce que je peux, ce que j'ai appris, transmettre à ces jeunes filles, ce que moi je à apprendre et les motiver aussi, parce que c'est surtout ça, les motiver à venir. Parce que euh, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a joué aussi, qui sait jouer, qui vient aussi pour les soutenir, on ne peut qu'avoir des filles qui vont beaucoup s'intéresser au football. Parce que déjà, il y a des filles qui jouent au football ici au Niger. Il faut justement les encourager. Et je pense qu'on euh, peut apporter notre plus en les aidant vraiment, en les motivant et pour qu'elles puissent vraiment jouer, ne pas abandonner très tôt. Quelles sont les difficultés auxquelles euh, vous êtes confrontés par rapport à ces... Euh, Avant même moi, sur le plan familial déjà, il y a la maman elle s'est opposée catégoriquement euh, sur le football. Parce qu'à chaque fois, on dit Toi, tu laisses ta fille en train de jouer au football euh, alors que c'est pour les garçons. Il y a des voyages où, une fois à la veille, on me dit Tu ne vas pas partir. Parce que quelque part, quelqu'un est venu lui dire que tu vas laisser ta fille aller jouer dans le pays. Voilà, voilà, voilà, voilà. Alors que dans la vie, quand tu sais ce que tu veux, ce que tu es en train de faire, je pense qu'il n'y a, aucun problème. Les jeunes peuvent jouer au football. Preuve en est que ça ne m'a pas empêché d'étudier. C'est une passion. Ce n'est pas parce qu'on fait le sport qu'on doit laisser les études. Les études doivent être une priorité d'abord et le sport d'abord. Quelles sont vos relations avec euh, tes autres collègues coachs la plupart, c'est des hommes. J'ai pas mal euh, rencontré des coachs et je vous assure, c'est des gens qui m'ont toujours encouragé. Et moi, vous savez, j'ai toujours eu euh, euh, cette habitude d'aller demander. Sans complexe, je les demande pour qu'ils puissent m'aider à ce que je m'améliore. Dieu merci. Je dis Dieu merci parce que je suis entraîneur ici, je suis au niveau des filles, au niveau de ce centre. Et au niveau national aussi, je suis entraîneur national adjointe U20. Donc euh, je peux dire à travers le sport, j'ai vraiment réalisé beaucoup de choses. Et ça m'a permis vraiment de, voyager, de rencontrer beaucoup de choses. Donc euh, c'est vraiment intéressant. Quoi. Bouclons notre playlist avec ce titre Cani d'état national. présent au loti. Et eh oui, Haïba, le loti des femmes du studio Kalangu nous offre aujourd'hui des astuces qui permettront aux femmes d'avoir un teint uni et une peau éclatante, évidemment sans utiliser des produits cosmétiques éclaircissants, mais plutôt avec des produits naturels, n'est-ce pas, Fika et Rukaya? <laughs> <laughs> Manu kai mu lotin se. Mate, lotti si ba mu re de der ma. Hmm, way bore tus tuso ga dai ne go fongo choro. Matu no irga te girga ha mai wa hanse kan man tundu no rubobu wiya. Ni walla ga cim choro, gona kan ni sibai matkini teda, amma burkan sibai sibai dai no. Ni bai wala? Hankan ni dile mu kai na follon kowo. Dinna murgun dayu ga tusin mundu maga. toni mondu maga yutuno muluk wala mo nimu duni gi ga tusini ga hamo ga ga surace wato ga nimu koi ga nyumai aha son wodi hinna hinna wasa hanka ga man ban nimu ye ga du hawa koi na kan ni ga dan habu ga nimu so bai ga tusin mondu maga wala mo koi na nimu duni bulangaji wala hilba giyo karra ni ga sukar kai na lotti ni maso bai gin ga hamo musaida to coro dinna wadin kulte ni ga di mamaki hano din hano wo kai dai mai gida nuna hukunci <laughs> ah to ya dinga mu kaga haudan boraim su bornan banda oho me amma bisa ni mu rubo boba danga ga ham gidai kangin takabarau amin mondu ma ton go kukura ni se diga sungai bena danganda ni sihin borai borai sihin min ni ko dai borwa borai wallahi <laughs> Chers auditeurs, c'était les lotis offerts par les desks femmes de la rédaction. Et à présent, c'est le moment de la culture linguistique. Aujourd'hui, Alamine Wachar, traducteur à langue tamashek, nous parle de VBG, violence basée sur les genres. Actualité oblige, puisque nous sommes dans les 16 jours d'activisme pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Bonjour, à Alamine. Bonjour. Alors, dis-nous tout. Euh, la violence euh, basée sur le genre, parfois aussi appelée violence sexiste, se réfère à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur euh, identité de genre. Elle prend racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir et les normes néfastes. Les femmes sont les plus touchées et la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes définit la violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre des femmes en tant que telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace, la contrainte, ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Euh, Almana, une violence basée sur le genre, il soit tekma wenshin garonen de il sas il de sas dat violence تكما تا تدرس توت كرزا فلقنا ويقرن أواتموس ولا فلقنا ويقرن ستغمر انتغمر يلاستو ما ولا تكما تقل أرتن وين دا دا سنتانو فيولانس بازي سن لجا دا غادي شي دو دين تنتي تك تكما وينشين دا هولي فلقنا ويقرن سقوار ندينيت دا غات بلان تيتاك تبلان تكما وينشين قرونا شي دو دين دا يكفيت المعنى شيلاتنا أرد كل ويقلا إدرس نصيحة ما غير كول ما غير أرد كل زاد ستغملا أزيك من تانتو الضغط التنت ولا غصيحتني أرد وين دا كول تكما أنا موسنا تفراغ راستك دلا الخورية نتاقو ترمانا مدى دا تمدورتني ولا تمدور تاتاقو دا غيواني Merci à Lamine pour cet éclaircissement. Restez avec nous pour le message des auditeurs. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaitez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Voici le message des auditeurs pour boucler cette émission. studio saman yanar gizo gaskiya ina jin daɗin su eh ina gaida mamata ina gaida ta raina ina gaida abokiyata rashida da ina gaida kuma ashiru eh da farko sunana anas mai garge wanda mai lakamin suna feti masega studio kalangu wanda na saurare shirinsu na kullum 17 zuwa 18 saboda abin da ya sabon mancewa da studio kalangu wata rana abdulaziz rayoma ya taɓa yi min tambayoyi a bisa kan ayyuka na wanda ya ce min kuma za a iya tura ni studio kalangu insha Allah wanda zan saurara gaskiya ranan nan gudan Nijar duk inda nake da wani dan uwa ya yi ta kira na yana min barka saboda ya ji muryata a cikin studio kalangu gaskiya ina jin daɗin studio kalangu saboda labarai wanda ya danganci na matasa wanda ake sawa a duk wajen disattar innan akwai wani labari wanda ko da yaushe nake saurari bisa gare shi shine shirin mu na mu haɗu a fada do samedi insha Allah ina sauraren shi sannan kuma wannan na disatarkin wanda nake ta saurare a kullum ina jin labarai kan matasa masu aikin hannu masu nuna ira kokarin su bisa kan aikin hannu to gaskiya dai na farko da wanda zan fara gaida shine mai gidana masu gafen cir mamudi sai ni gabai eh, sannan kuma ina gaida duka da auditor auditrice na studio kalangu musamman ina godiya zuwa gare su musamman ke ma samira wafi ina gaida ki na shi daɗi sosai ina tare da studio kalangu a koda yaushe Ici prend fait le Niger sur Kalangou de ce vendredi 1er décembre 2023. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et Maria Madi. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et la technique par Sen Isaka. Excellent week-end à tous. Surtout ne manquez pas l'actu de jeunes tous à la FADA et le forum samedi et dimanche à partir de 17h sur les ondes de nos radios partenaires.